ce deuil frappe des médias, l'ensemble de la famille de la presse, l'ensemble des amis et parents de, la famille de Bougan, de, de l'ensemble du Sénégal, parce que j'ai vu les réactions que cette disparition a suscité. Moi-même, quand je, l'ai appris euh, à la radio très tôt ce matin, euh, matin de la rentrée, où chaque parent euh, de son enfant pour l'amener à l'école. nom. il J'aurais bien voulu aussi s'acquitter de cette tâche. C'est ce matin-là qu'elle est partie. Quand je l'ai appris immédiatement, j'ai envoyé un message à mon petit frère Bougan euh, et ami. Je l'appelle petit frère parce que Bougan, nous avons cheminé ensemble. Nous avons fait le groupe Walfagri et puis nous nous sommes retrouvés au groupe euh, Futur Média. C'est quelqu'un épreuve terrible, c'est vrai, mais j'ai confiance. J'ai confiance surtout quand j'ai vu euh, sa réaction lui-même parlant de confiance totale qu'elle place en sa défense de tout, en espérant que le bon Dieu, après euh, avoir sollicité sa miséricorde, son pardon infini, en espérant qu'il accueillera en son paradis son de madame. Président Madame, euh, Madame, vous êtes euh, ici euh, au de pour assister à cette levée du corps de la défunte Momy quelqu'un qui est inconnu de l'espace mais très très très effacé Absolument, j'ai entendu les témoignages de celles et de ceux qui ont travaillé avec elle et qui ont dit que elle, voilà, elle était malade, mais elle n'a jamais montré qu'elle était malade. On ne pouvait même pas savoir qu'elle souffrait de quelque chose pendant des années et des années. C'est seulement ce matin, moi, je, voilà, n'ai pas eu l'occasion de, la, connaître de, très près, mais son nom ne m'a jamais laissé indifférent. Quand j'ai appris de décès ce matin, j'étais surpris, surpris parce que je ne la savais pas malade. Euh, mais oh, comme on dit, le, bon Dieu, lui, il a son, agenda. Et on ne peut que lui rendre grâce. L'homme propose, Dieu dispose. Et il, vient de disposer de sa créature en la personne de son Momi. Euh, je pense qu'il nous reste, nous en tant que croyants, à prier pour elle, pour que le, le tout miséricordieux lui accorde son pardon et l'accueille dans le bureau de ses parents. Donc, c'est un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y Par rapport à la vie, il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y a mel ni bu ñu dalee ñu ñëpp def may sant suñu borom fàttali itam doomi aadama mi rek la ci suñu borom la ñu jëgé ci mom la ñu soxna mumi sek nak wétal nañ wétal nañ ndax dafa wétal ñi nga xamanteni ñu jëgé euh muy bugal bi dañ jaga muy soxna suñu mag ñu ci yalla ci on sek nga xamanteni yalla jël doom ak ci donc bugan mu sama rak la sama xarit la wali sama sama rak la itam ma sekk ak ñom jamm ni ki épreuve bu melni bu len dalé naturellement lu mu mëna def lu mu mëna def bi ma déggee xibaar bi ce matin à la rajo dëgg yàlla daf ma def choc même bu fekkente ni damay sant yàlla euh, jullit la waaye daf ma def choc parce que soxna si xaw ma woon dafa feebar te dégg naa témoignage yi témoignage yu rafet ne ku ku jullite woon ku amoon compétence fi wetu jëkkëram mm. nekkoon Euh, discret kàngam discret euh, kenn voilà téye boppam téye làmmiñam mais nekkoon itam kàngam ci groupe des des médias mm-hmm. bu ma déggee ñi doon liggéey moom di wax loolu euh, di wax ne sax ñun xamuñu xamuñu woon sax na dafa feebar xam mm-hmm. nga ku mel noonu ça veut dire que nit ku digne la mais suñu borom moo ko gën a soxla moom moo ko gën a soxla te bu ñu soxlaa ñun ñëppay ñàkk mm-hmm. li des mooy ñaanal na moom yàlla xaaree ko ajjan yàlla yërëm ko te yàlla teg na xom ci njaboot bi may leen naqalu muñ bu gaan épreuve bu diis moo tegu ci ndoddoom en tant que borom kër sox na ñu mais aussi njabo gi yëpp ma ko waxee ñoom mag ñi ak rat ak kër nag suñu jigéen soxna jaag vraiment di di leen encouragé ñoom ñëpp rek merci jërëjëf jërëjëf merci merci